lundi 18 décembre 2023, date du 105e anniversaire de la fête de la République du Niger. Bonne fête à tous. Auditeurs et auditeurs, euh, auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou que vous écoutez partout au Niger à travers nos radios partenaires. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter en ce jour férié. Je suis Salamatou Kadri et à mes côtés Ali Moukela Ousseini dit Seno. Bonjour Seno. Bonjour Salamatou. Prêt pour l'embarquement de ce matin Oui, ma ceinture est bien attachée. Super alors. Comme toujours, nous allons offrir à nos fidèles auditeurs un programme bien costaud. On ouvre le bal avec le flash d'information. Il y aura la chronique Lotti, du sport et de la culture linguistique. La rubrique hebdomadaire de ce lundi est consacrée aux questions de justice et justement, nous parlerons des attributions de lycée de justice. Et oui, salam à tous, ce n'est pas tout. Nous ferons un tour à Mayaï, région de Maradi, pour brosser un peu sur la question des pièces d'état civil. Ça sera dans la partie écho des régions. Pour ce qui est de l'entretien du jour, nous nous aurons l'occasion de voyager pour l'Aïr à la découverte de la réserve naturelle communale du mont Egalaf à Timia. Euh, ça sera avec le chargé de la protection de cet environnement. Le Niger sur Kalangu, c'est aussi du divertissement avec 100% de la musique nigérienne. Encore, nous souhaitons bonne fête de la République à tous les Nigériens. Tout de suite, euh, voici le flash euh, présenté par Rafika Ataher. Bonjour Rafika. Bonjour Seno. Alors aujourd'hui, 18 décembre 2023, le Niger célèbre le 105e anniversaire de la proclamation de la République. À cette occasion, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Tiani, a livré un message à la nation dans lequel il est revenu sur le contexte particulier dans lequel intervient cette commémoration, notamment l'avènement depuis le 26 juillet 2023 d'une nouvelle transition qui ouvre des nouvelles perspectives pour le pays selon lui. Le chef de l'État s'est engagé à convoquer un forum national inclusif pour faire le diagnostic de la situation du pays. Également, il a défini un cadre stratégique de gouvernance pour la transition. Des missions précises seront élaborées par les membres du gouvernement qui seront rendues publiques dès cette semaine. Le Conseil régional de sécurité de la région de Niamey a organisé hier une simulation grandeur nature. C'est pour mettre à l'épreuve la réponse des différentes unités des forces de défense et de sécurité et de services de gestion de crise de l'éventualité d'une attaque à Niamey. Cet exercice a permis de tester la bonne coordination et la capacité des unités d'élite. Il a également permis aux services de secours de mettre en pratique leur programme de prise en charge des victimes en CD crise majeure, dans, ces crises en ces crises majeures de la capitale. Les 9, 10 et 11 janvier 2024 se tiendra à Nouakchott, Mauritanie, la conférence africaine pour la promotion de la paix avec pour thème l'éducation ancienne en Afrique, science et paix. Sous l'égide de son Excellence le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Sheikh Al-Ghazouani, ce quatrième forum traite de l'éducation ancienne. Par ailleurs, cette plateforme de partenariat fructueux et de dialogue bénéfique entre décideurs, chefs religieux et diverses élites social, cherche ainsi à promouvoir la paix et l'esprit d'harmonie par les dernières approches éducatives modernes. Voilà pour le flash de ce matin. Merci, Rafika. Bonne fête à toi, Rafika. Merci, tous Notre entretien du jour est consacré à un sujet environnement. Nous découvrirons la réserve naturelle communale du mont Egalaf et c'est Adamou voilà, Algoubas qui va nous Là présenté, il est le secrétaire général de la mairie de Timia, également chargé de la protection de la réserve. Mais avant ce nom, rendons hommage à la femme à travers cette chanson de l'artiste Soul qui nous chante Baba Lega Tagari du groupe MDM Crew. ga arziki wanda ya yi kamata ya yi kashin daɗin duniya wanda ya yi kamata ya yi ka rayuwa wanda ya yi kamata ya yi ka kwanciyar hankali Allah ka ba mu Lega Tagari est le titre de cette chanson que vous êtes en train d'écouter, chantée par Soul du groupe MDM Crew. Ici, il met en valeur les qualités de la femme dans le foyer. Et oui, effectivement, Sali, il faut noter que Soul et son frère Zab constituent le groupe MDM Crew. C'est un groupe euh, qui est l'un des meilleurs, d'ailleurs, de la capitale très très écouté par la jeunesse nigérienne. Nous leur disons bon Kasamba le megida, katuo megida, garua makasha. Soumami, ah Baban, Lega, gars Tagari, chers auditeurs, c'était tout simplement le titre de cette chanson hein, qui nous a été présentée par le groupe MGM Crew, tout en espérant que vous avez kiffé. Sans trop tarder, je vous propose notre entretien comme annoncé euh, sur la réserve naturelle communale du Mont Galate à Timia. Dans cette première partie, nous aurons une brève présentation de la réserve. Écoutons Adamou Algoubas, le secrétaire général de la mairie de Timia. Il est aussi chargé de la protection de la réserve. Il est interrogé par Habiba Ahmed. La réserve euh, communale de Timia est située dans la commune de Timia avec une superficie de 1 million hectares, soit 12 000 km. Elle est aussi classée comme site Ramsar et aussi dans la réserve de biosphère avec euh, comme zone écologique principale les différents monts euh, qui la composent. Qu'est-ce qu'il y a dans la réserve Citez-nous quelques animaux et leur provenance. Dans la réserve, on retrouve euh, un potentiel écologique important, donc qui est constitué de près de 200 espèces végétales, affinités saharien, tropicale et même méditerranéenne, 18 espèces euh, de mammifères, 32 espèces d'oiseaux, on retrouve aussi des rongères, des reptiles, un nombre important de points d'eau semi-permanents et permanents et d'importants écosystèmes anthropiques, donc euh, les oasis. Donc les animaux qu'on retrouve, nous avons par exemple deux espèces d'ongulés, à savoir le mouflon à manchette et la gazelle d'orcas, qui sont des espèces véritablement menacées et même classées vulnérables par l'UCN. Nous avons des espèces isolées des primates, donc non humains, à savoir les patas et le babouin, qui sont des espèces de singes qu'on retrouve dans le massif et qui sont très isolées du reste de la population et qui se retrouvent ici. Donc l'Aïr est particulièrement la limite nord de leur zone de distribution. Et nous avons aussi des carnivores tels que les chacals. Nous avons le caracal, qui est une espèce de félin. Nous avons euh, les renards familiques, le fennec. Nous avons le chat de Libye, le chat des sables, qui sont aussi deux autres espèces de félins. La genette commune, la mangouste rouge, nous avons aussi une rare population de guépards du Sahara dans la zone et qui est extrêmement menacée donc c'est moins de quatre individus mhm. dans le massif, menacés par un nombre d'éléments, notamment le, les changements climatique parce que ces guépards-là ne sont plus braconnés et ils évoluent difficilement dans cette zone où il y a moins de proies. L'air, d'une façon globale, constitue un grand carrefour de biodiversité et c'est pourquoi on retrouve euh, les oiseaux migrateurs, du Paléarctique à occidental, c'est-à-dire des oiseaux qui font leur migration à partir de l'Europe pour venir en Afrique. Nous avons aussi des migrateurs afrotropicaux qui font leur migration à partir des zones équatoriennes, des zones orientales pour venir jusque de l'Aïr dans une période donnée de l'année. Et vous avez la faune résidente en termes d'oiseaux. Donc ici, la vie faune est très riche, tellement, tellement riche à cause des conditions écologiques que les milieu offrent. Donc les espèces d'oiseaux font à peu près 85. Nous avons 18 espèces de reptiles, une espèce d'amphibien, et on peut retrouver dans les massifs aussi, dans la réserve, une grande colonie de tamangs, de rochers et d'autres petits mammifères comme euh, les porc-épics, les lièvres des cap. Nous avons aussi beaucoup de rongères d'insectivores et même des chauves-souris. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont disparu Si oui, lesquels Absolument, il y a beaucoup d'animaux qui ont disparu dans la zone. Donc, dans les années 1960 jusqu'aux années 90, la zone était très riche. Nous avons des animaux comme l'oryx, la dax, l'hyène les facochères. Beaucoup d'animaux ont disparu dans la zone et c'est à cause donc de sécheresse aussi euh, certains constituent quand même une menace pour les éleveurs. Ils ont disparu suite à des opérations d'empoisonnement par strychnine. Nous avons perdu beaucoup, les hyènes aussi, et les guépards, euh, on en trouve jusque-là aujourd'hui. Donc, l'Oryx et la DAX ont disparu à cause de conditions vraiment climatiques qui sont devenues très rudes dans la zone. Et lesquels qui ont réapparu On ne note pas actuellement une réapparition vraiment d'animaux sauvages dans la zone, puisque les causes qui les ont fait disparaître existent toujours. La situation n'offre pas assez de conditions pour la réapparition des animaux sauvages, même si quelque part nous voulons, avec euh, le même élan de la création de la réserve, réintroduire l'Autriche, qui est aussi une espèce éteinte dans la zone, parce qu'en 90, il y avait 1600 individus. Mais à cause des conflits armés que je n'ai pas cités tout à l'heure, et à cause aussi des braconnages et de la sécheresse, l'espèce s'est éteinte dans la zone. Donc, de 1600 individus, on est aujourd'hui à zéro, en dehors de ceux qui sont en captivité à Iferwan C'est pourquoi, avec euh, ce projet de réserve, nous voulons réintroduire certaines espèces dans leur parcours naturel, notamment l'Autriche d'Afrique du Nord et aussi la girafe, parce que notre milieu euh, offre un certain nombre de conditions qui sont favorables à l'introduction de la girafe, qui, je précise bien, a existé dans l'Aïr, comme le témoignent les stations ripestres où on peut observer aujourd'hui, dans la plus célèbre qui est celle de Debous, qui date de plus de 6000 ans. Chers auditeurs, avant de poursuivre la deuxième partie, faisons bouger nos auditeurs avec l'orchestre Logumbe de Maliaro qui nous vient avec le titre Maïga. bondad. I say ama may gay Et oui, Mega, c'est bien le titre de la chanson que vous êtes euh, en train d'écouter, cher auditeur. C'est un extrait de l'album Tula, euh, sorti en 2010. Dans cette chanson, Malia refait les éloges des Mega. Mega est le patronomie voilà, attribuée aux nobles dans l'état Songoï. Sinon, je profite de cette chanson pour souhaiter bonne fête de la République à tous nos auditeurs qui sont câblés à leur poste radio actuellement. On prend de Niamey à Tilaveri, Dosso, Zandor, Porto, Porto. On vous souhaite bonne fête à tous. maiga y ibandal barka maiga mede sorbo maiga mede sorbo me de sorbo meiga sorbo meiga Chers auditeurs, c'était le titre Mega. Poursuivons à présent avec la seconde partie de notre entretien du jour. oui, Adamou euh, Al-Goubas nous parle ici des difficultés qu'il rencontre pour euh, accéder à la réserve et les actions qu'il euh, compte mener à l'avenir pour la réintégration de certaines espèces. Il est hein, interrogé par Habiba Ahmed. Le travail de conservation, c'est un travail qui requiert euh, assez d'abnégation, de régularité sur le terrain. On fait face à d'énormes difficultés. La menace majeure issue, c'est le braconnage, l'extension aussi de l'activité maraîchère qui réduit l'habitat de certaines espèces. Mais nous considérons que c'est le braconnage qui est la menace principale. Nous menons beaucoup d'activités de lutte anti-braconnage, de sensibilisation de communauté, aussi la surveillance de proximité à travers des écogardes euh, désignés parmi la communauté locale pour réduire à euh, bout les braconnages afin d'inverser la tendance du déclin de la faune saharienne. Donc la difficulté, c'est que les pistes sont mauvaises, les sites sont presque inaccessibles et il faudra gravir les montagnes souvent pour faire ce travail-là. Le massif des Galas totalise 180 km et on ne peut pas les découvrir et les surveiller à moins de deux jours. Donc, vous avez les massifs de billets qui est aussi tant complexe. Donc, il faudra nous aider circuits et, des missions pédestres que nous menons sur ces massifs-là. Et nous faisons aussi les missions en véhicule, en moto pour la surveillance et des interventions lorsque les infractions sont dénoncées. Et là, nous avons des moyens logistiques très limités. Nous intervenons en collaboration avec l'unité de gestion de la RNAT, puisque cette réserve, elle cohabite avec la RNAT. Elle partage les frontières nord avec la RNAT. C'est pourquoi l'unité de gestion nous vient aussi en appui, surtout dans le cadre de missions d'élite anti-braconnage. C'est la difficulté. Nous faisons face à une menace et nos moyens de déploiement sont très limités. Et aussi, il faut le préciser, les moyens financiers font défaut. Notre vision, c'est de faire du développement local pour que les communautés puissent conserver leurs espaces naturels, puissent protéger l'environnement. Comme nos moyens sont limités, nous ne sommes pas en mesure de mener ces activités-là. Nous avons des partenaires très limités. Sinon, nous voulions, dans la démarche, participer au développement local en vue de la conservation de la biodiversité. Parce que ce sont les écosystèmes que nous sommes en train de protéger. Nous avons fait appel localement à des privés et à des projets qui interviennent euh, dans le cadre de la conservation ils ne sont pas nombreux, ils sont très très très insignifiants. La communauté quand même reste très engagée. ce sont seulement les limites des moyens logistiques et les limites des moyens financiers qui nous font obstacle dans notre mission de conservation. Quels sont vos projets à l'avenir Nous envisageons de réaliser deux études, donc euh, deux recherches, notamment une sur la, la pentade sauvage, parce que nous avons ce qu'on appelle la pentade commune, qui est aussi un patrimoine de la zone, mais qui est mal connu. Il n'y a jamais eu d'études sur la pentade. Nous allons mener cette recherche pour pouvoir essayer de déterminer les gènes de cette euh, pentade et les différentes menaces euh, auxquelles elle est confrontés. Nous envisageons également une étude sur les primates non humains. Ce sont les deux espèces d'échange que nous retrouvons ici pour mieux les connaître parce qu'ils ne sont pas mieux connus et c'est une étude qui sera menée par les chargés de la liste rouge de l'UCN. Donc euh, ce sont deux primatologues spécialistes du domaine qui vont venir Merci, chers auditeurs. C'était Adouma Algoubas, le secrétaire général de la mairie de Tumia, qui nous a brièvement présenté la réserve de Tumia. Faites-y un tour à l'occasion. Eh oui, au passage, Sali, on fait un coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis Agadez à travers la radio Noman. Nous leur disons également bonne fête des 18 décembre. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, il est 11h passé de 23 minutes. Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute de Niger sur Kalangou. À présent, parlons justice sur la compétence de l'huissier de justice. Un huissier est une personne titulaire d'un office ayant qualité pour dresser des actes authentiques, entre autres pouvoirs qu'ils lui ont conférés. Pour en savoir plus sur l'huissier de justice, écoutons cet entretien de notre reporter Tarnan Foudé Ahmed avec Abdurazak Mahazou, doctorant à l'université de Ouagadougou. L'huissier de justice est un officier public et ministériel assermenté. C'est un juriste de proximité. Il est un véritable partenaire et allié pour la défense et la préservation de nos droits. Quels sont les domaines pour lesquels seul lycée de justice a qualité pour instrumenter Les domaines pour lesquels seul lycée de justice à qualité pour instrumenter sont nombreux. En effet, lycée de justice a seule qualité pour procéder à la signification des actes et exploits, pour dresser les procès verbaux et pour l'exécution des décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire, pour le recouvrement des amendes et des frais de justice en matière pénale, les impôts et autres taxes de toute nature. Les services des audiences près les cours et tribunaux. Et l'UC a également qualité pour procéder à la vente aux enchères publiques. Y a-t-il d'autres domaines pour lesquels lycée de justice peut intervenir lycée de justice peut procéder au recouvrement amiable de toute créance il peut rédiger des actes sous cinq privés, il peut gérer des immeubles et administrer des biens qui lui sont confiés, il peut participer à l'ouverture et à l'adjudication euh, des marchés publics, il peut euh, dresser les procès verbales des assemblées statutaires de toute société de droit public et privé, ainsi que les assemblées statutaires des agences. L'huissier de justice peut également être désigné séquestre, il peut être désigné syndic ou euh, liquidateur dans euh, le cadre d'une procédure collective. L'huissier de justice peut aussi euh, donner des consultations et des conseils en matière juridique. Comment se fait l'accès à la profession d'ici de justice au Niger L'accès à la profession se fait au moyen d'un arrêté du ministre de la Justice garde dessous après avis de la Chambre nationale. Et pour cela, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de maîtrise en droit ou de master en droit et accomplir un stage de deux ans dans un cabinet d'issue de justice. Pour les candidats qui sont titulaires d'une licence en droit, ils doivent accomplir trois ans de cléricature sans interruption dans une étude d'issue de justice. Il faut noter qu'avec la nouvelle loi modificative, l'accès à la profession d'issue de justice et commissaire-priseur est conditionné à l'admission d'un concours. Au Niger, ce sont les huissiers de justice qui exercent la fonction de commissaire-priseur. Qu'est-ce que cela implique À ce titre, ils procèdent à l'inventaire, à la prise et à la vente aux enchères publiques ou volontaires de tout bien meubles corporel ou incorporel et la vente aux enchères des biens réformés de l'État, des collectivités territoriales et du secteur parapublic, des personnes morales de droit public et de droits privés. Merci Tarnan Fouday pour ce beau reportage. C'est nous oui. Ah, si je t'ai dit, ça t'a dit quelque chose Bien sûr, il s'agit de DJ Dako. Cher auditeur, on kiffe et on revient juste après. What follow, Sonda, I'm thinking. Cabo, niggas ever cabo. Nigga man cabo. Him and them thinking cabo. I can do eh, I yeah I do eh, eh, tu veux des fous. Vas-y au cabano. a tellement de fous. Et ceux qui sont sous la rue. Et ce sont pas des vrais fous. aray gotal ga tarago su simo ba dole mafando ah sai id iga dirga ba kabi da kabi da ba da ba su si farko ba fallo ba kabi da kabi da ba da ba su si farko ba fallo ba da kabi da kabi da ba da ba kuna ba fallo un un fou était sous lui dit, et toi le fou descend, le fou a il appelle à un autre, tu le croyais malin, et toi fais le descend, Et toi descends, je ne descends pas, si tu descends pas, je vais gonfler l'arbre et tu vas tomber. Attends, attends, je vais descendre. Eh, follow, tu iya kai girgiza gindi kalfa afonia wari wari mata mata music Saudi DJ Dako yeah, man. gaya musu ba da wasa balle Habibu Bumbo Fallo, Aishatu Gwane Fallo, Rashid Bumbo Fallo, Jarifa Bumbo Fallo, Siri Bumbo Fallo, Amsatu Bumbo Fallo, Show Bumbo Fallo, Lukaya Bumbo Fallo, Sani Bumbo Fallo, Adamu Vaze Fallo, Sule Bumbo Fallo, Chacho Bumbo Fallo, Gona Dengi Jasa, Fallai Fallai, I no more follow, I no more follow, I bumbo, I follow, Duku Bumbo follow, chers auditeurs, c'était la DJ Dako, tout en espérant que vous avez dansé sur euh, ces rythmes hein. très, très, très dansables. Alors, à présent, direction Mayaï, région de Maradi, pour parler de l'importance des pièces d'état civil, n'est-ce pas, Sali Eh oui, c'est nous. Tout citoyen doit avoir ses pièces d'état civil. Cependant, bon nombre, surtout ceux qui sont dans les zones les plus reculées, n'accordent pas d'importance à ces papiers. Quelle est l'utilité des pièces d'état civil Réponse dans ce reportage de Issoufou Cheibou à Mayaï. ma'aikatar ita civil ma'aikata ce wadda ke ba ɗan kasa takardu wa'anda kasa ta ce a bashi ko kuma ɗan kasa ya kamata a ce ya yi mun tambayi shugaban ma'aikatar ita civil ta in mai domin ya shaida ma jama'a masu sauraron mu irin takardun da wannan ma'aikata ke eh takardu na ɗan kasa wanda ya kamata ya samu da kai takarda ta haihuwa da kwai takarda ta aure da kwai takarda ta rasuwa kuma da kai takarda ta hudu za a walwa za a sa ga aiki takarda ta rabo aure wannan takardu su ne za mu zanki aiki su amma ga yanzu uku ne muke aiki su ta hudun za ta zauwa nan da 'yan kwanaka kaɗan za a fara wallafa ta. Eh, da an haihuwa 'yan san samu ne digiri ya kamata da kwai masu rubuta kan haihuwa gari gari da an yaro ma lokacin da aka haishi a je a rubuta mishi takardar haihuwa an ba da kwana 60 ne a rubuta mishi in ma ba a rubuta mishi daga cikin gari kenan da an rubuto sai a kawo su nan wurin mu mala su wa mere sun yi in yi so kuma mu maida mutane can gari gari lalle takardun da ma'aikatar ita civil take badawa daban-daban to lalle suna da muhimmanci ganin haka shi yasa ake ta gargadin mutane da su yi kokari su yi wa'annan takardun domin zama cikakken dan kasa wani muhimmanci ke akwai ga wa'annan takardu da ma'aikatar ita civil take yi ga dan kasa takardar da haihuwa dama su ana yi amma na aure su ne ba ma muhimmanci ba to yanzu yanzu shi ne muke son wa'annan takardu na rasuwa eh, da na aure su ma ya kamata a ba su muhimmanci a yanzu. su ma ko ne da sa? takardar aure an so da ka auri mace kamar ka yi takaranta aure tana nuna kai lalle da kwai eh, aure tsakanin ka da macen ne ko da iya kuke yi wannan ba ta ba ba a ce wane aure tsakanin shi da wance ya samu karuwa ta dawa ne kenan ba babu kwankwanto in kuma ta rasuwa ce kuma ita takaranta rasuwa ana son an yi ta in mutum ne ya rasu ya kamata kamar yadda aka sa ana mai takardar ta haihuwa ya kamata takardar ta rasu a yi ta saboda akwai abin da yasa ita ma unhwaninta tana yiwa in ya rasu dinkin nan babban mutum da rasu wajen harkar lahu ba ta ba da ka zo ka ce a hidda ana hidda kashi. Mm-hmm. wajen haraka yanzu kun san eh, da kwai marayi da ake akwai da kwai proje dinkin nan masu tallahi sai ta ɗauri yaran man ba da uwa ba da uba to amma in proje ne tambaya da kwai marayi inda talla in aka kawo takardar nan ta uba ba da uba lalle an tabbata takardar ita ke nuna ba da kenan proje ne ya tallafa mishi ka ta ko hanyar talakwal yana tallafa mushi. kowane aiki bai rasa yan matsalolin da ake karo da su wani irin matsaloli ma'aikatar ku ta ita civil ke cin karo da su matsalolin da muke huskanta eh, game da su lalle wani ya kawo takardar nan sai ya ga an eh, daɗe ba bashi ba ta har ya kagara shi kuma aiki in mutum ya sa kan shi wannan aiki ba na abu ne ba sai mu ba mutane hakuri mu ce ku yi hakuri ba matsala ba ce ba wanda wannan aiki na ita civil aiki ne sai mai hakuri wajibi ne kowane dan kasa ya kokari yayi takardu domin kan takardun aiwa kan takardan aure kan takardu na rishi da dukkan sauran takardun da ya kamata kowane dan kasa a ce yayi su ganin cewa ma yanzu ga tsarin da aka yi a cikin garuruwa daban-daban akwai wa'annan takardu ana yi ake cikawa in ya so daga baya in an cika su a kawo su nan meri mare sun yi in ya so ya aika muku Merci ici vous pour euh, ce reportage. Espérons que nos auditeurs ont pris note. Faisons un coucou à notre partenaire de Mayaï, la radio Anouri, et par la même occasion, nous souhaitons une bonne fête à la région de Maradi. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez le Niger sur Kalangu, l'émission de divertissement et d'information de Studio Kalangu. À présent, sur le rendez-vous du sport avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Sali, bonjour Seno. Bonjour. Adam, c'était la fiesta à Zander ce week-end, n'est-ce pas Il y a eu un match de gala à l'honneur des anciens joueurs des années 80-90 des deux plus grandes équipes de football de la région. Eh bien oui, Sali, en effet, nous l'avons annoncé la semaine dernière, le stade Lawandidi Mazo de Zander a servi de carte à ce match de gala des anciens joueurs de la région de Zander, à savoir l'Espoir FC et Al-Khali Nassara. Rappelons-le, ces anciens joueurs ont également marqué l'histoire du football nigérien. C'est dans l'optique de les rendre hommage que ce match de gala a été organisé un moment de retrouvailles et d'émotion pour ces anciens aujourd'hui atteints par l'âge. Je propose d'écouter le coordinateur du comité d'organisation, Saleh Tahiru qui s'est dit très satisfait de l'organisation et de la tenue de ce MAC de gala. On l'écoute au micro de notre correspondant Ali Keta. Le choix de Zander, je crois, a été parfait. Vous avez témoigné du public. Nulle part ailleurs, on peut avoir un public assisté à un match de gala comme ça au Niger. Au niveau de l'organisation, nous sommes très satisfaits. À Fairplay, vous avez vu, nous avons tous pleuré. Et ces pleurs-là étaient depuis, depuis hier. Depuis avant-hier, la première rencontre, ces anciens-là, ils pleuraient seulement. Parce que certains, ça fait 35 ans, 40 ans, ils ne se sont pas vus. Et d'un coup, une situation comme ça se présente et qu'ils se voient, qu'ils s'assoient, qu'ils parlent. C'était émotionnel, c'était émotionnel et je, je, suis sûr que vous, avez euh, vécu cela avec moi. Nous, nous avons décidé de faire cela juste pour euh, remercier ceux-là. Parce qu'au Niger, on a tendance d'attendre la mort pour qu'on dise que tu as fait un tel, tu as fait ceci. Quand on veut te remercier, on te remercie vivant pour que tu puisses savoir que tu as rendu un service. Et c'est pourquoi nous, nous avons décidé de faire quelque chose qui va les faire savoir que toute la région de Zender leur dit merci pour tout le service qu'ils ont rendu parce que ces gens là ont fait sortir la région de Zender dans le domaine du football. Alors Adam, parlons en présent de la sixième journée de la Super League qui a commencé ce week-end. À l'ouverture de cette sixième journée, c'est la jeunesse sportive de Tawa qui a créé la sensation du week-end en écrasant le Sahel Sporting Club sur le score de 3 buts à 0. Zumunta contre l'Union sportive de la gendarmerie nationale, un but à 0 en faveur des gendarmes. Dans le même temps, Stade Général Séné Kounté, l'AS Garde Nationale, se défait de Tagour, sur le, Tagour de Dosso sur le score de 2 buts à 0. Pour la suite, aujourd'hui, on aura le choc entre le LUDER, Association sportive des forces armées nigériennes, dont, et, son dauphin AS Douane. Et enfin, à Maradi, Zongorzo FC accueille le Liberté Football Club de Niamey. Un duel entre le bleu et blanc ayant tous deux l'envie de se relancer dans ce championnat. Eh bien, chers auditeurs, sur la fin de cette chronique. À demain avec Hassoumi Gourouza pour d'autres informations sportives. Merci infiniment, Adam Sariou, pour euh, toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, nous branquons notre projecteur aujourd'hui sur une ex-migrante du Kantier dénommée Amina Chebou, une vraie survivante de la migration irrégulière, elle a tenté l'aventure pour un avenir meilleur, mais quelques jours après son arrivée à Alger, et à Alger elle et, euh, ses compagnons ont été refoulés par les autorités algériennes. Dès retour au Barkaï, elle a créé une activité génératrice de revenus, la vente de beignets de soja appelée awara. Elle témoigne. dalilin da yasa ni a lokacin wannan tahiyar maza suke tahiya tana ta samu kudade da mata kuma ni na nuna zan tahi na kama hanyar tahiya da na tahi muka je arlit aka ɗauki mu daga nan arlit aka ɗauki mu muka biya kudin tamarasat in ka biya kudin tamarasat ba can ba suke kai kaɗi yan gizan ma bisa kai ka a nan bakin hanya daga sun ta bayan asuma kanan in aka je dil nan suke a ku suka bar mu kwanan mu biyu kusan na uku dai mu da ke mata ne gabanin magarwa muka isa garin ingiza yaya kuka yi sauran hanya a kawa a ƙasa ne kawai muke zuwa muna muna tahiya in mun gaji mu huta in mun gaji mu yi zaman mu idan muka yi kwana biyu da wuni guda sannan muka isa garin ingiza amma ba kuban hanyar da aka sani eh dama mayu ko ina ma in dai mace ce mutum zai dauka direba ne satal hanya ce shi tun da ba a da rana ba ake dauka asuba ce in gari ya waye dai gobe me yasa kuka tafi dalilin tahiya ni takaici ne na miji na da baya huta shi ne yasa na tahiya ni ma ka ji dalilin kuna da yara yara ku kabar kala mu sun kai goma tagwaye ma biyu na aihuwa a jere a jere suna nan su duka tagwayen ma. Kun yi tsammanin hanya ba za ta muku wuya ba? A da matsala mana tun da aka zubda mun sha wahala da yara. Dan dai Allah ya sa babu mai gajeren kwana ne amma an sha wahala kwanan mu biyu da wuni guda sannan muka je ingiza Wani irin aiki ne kuke yi? Gaskiya mace ba ta da aiki. Mace da ya alji ba ta da aiki. Kawai bara. bara da kwanuka mu muke tafiya da mu in ka zamana ka je jera ka in na goye ne ka je ka zamana da shi kusa da shi su kuma wannan kankana duk su shiga shaguna su yi bara menene ake baku sadaka kuɗi ne suke da dinar ba kama mu aka yi ba mu wata biyu aka kamo a gurin kwana suka kama na tattare da jama'a ina da miliyan guda ta su ta can kuɗi na nan jika talatin da aka kama mu daga nan inda aka kama mu daga daga bujaya ne aka kama mu zuwa jijil aka tara mu aka tara yan garin da gari ya ashirin abin da aka gama da aka kama amma ba ɗauko mu ba aka mu kwanan mu biyar da kama sannan aka ɗauko mu suka kawo mu tamarasas daga tamarasas aka kawo mu ingizam kuma daga nan mota ta aka je irin wannan wadda ba kar ba ita ta ɗauko mu ta kama agadas kuma daga agadas duk aka kai hayes aka ɗauko mu aka kawo mata mai kuma daga mata mai kowa aka ce ya biya motar garin su to a zo ba da sha biyar ma kuɗi kyankyan da abin da ta yi da su ma jika ɗari da hamsin ta sifa kuma aka aika min jika ashirin ta sifa wallahi na ne da gado na ɗaki su ne na sassaida me za ku ce ma waɗanda suke son tafiya yanzu inda sun yarda muna jan hankalinsu da tahiyar wannan gwara sana'a in mutum da ya kashe wani jikai ɗari uku a yanzu a ɗari uku ma mutum baya zuwa da yara gwara ya sayi busar da ake sai dai ai maraƙi ne kowa yake tamaka ya sai na ɗari da hamsin kuma ɗari da hamsin ya yi kasuwa da ita da kuka dawo menene kuke yi na tafiyar da lokaci ni yanzu wala a ce kawai nake a radio. ina ta ganin amfani ka mai mahimmanci ka samu dala ɗari dala ɗari da hamsin ai ala sa albarka ko a neman gida dai sanda an je an watsa kuɗi an dawo idan kuka samu zarafi ko kuna yar komawa a'a ba na komawa ba kawai kasuwa ya kamata in yi yanzu yanzu kuɗin da za na alji da su yana da jika ɗari ma gwara in ta mai ado an yi ƙasaro zannuwa an sayo kayayyakin irin kamar su waken suya da nake aure da shi in yi in saida kuma halin in saida mutane waken wani kira gare ku zuwa ga mata yanzu kiran da nake yi ga su 'yan uwa mata masu yara saboda ta hita da wannan ya tahiya mu mata duk tahiya da zamu duk inda zamu dole he da diya yanzu jan hankalin su muke bi sau da kawa ana kwatanta musu cewar tahiyar wannan bata da anwani a bar maza su je su yi takaici su ma nema tahiya da ba ta mace bace ta namiji ce yi yan uwana mata masu tahiya da ƙananun yara muna shan wahala akan hanya tunda wanda kwanan shi ya kare wanda bai iya tafi wannan wannan kwanan bi uku mutuwa yake yara uwayen ma nawa suka mutu akan hanya yan tahiya ma akwai matar guda biyu da wadda ɗiyanta kananu ne yayayu ne kuma da na goyi kuma yayin su sun mutu kuma haka muka isa da ita kwa eh, su eh, ba su lahiya mu muka bar su a baya kuma he kan mun isa can gurin aka ci wannan yaran duk sun rasu tunda wanda bai iya ba shi barin shi kake kai ma in ka tsaya tare za ku yi Chers auditeurs, c'était le portrait de Amina Chebou au micro de Maman Ada. Bouclons notre playlist avec le titre Sulbadio du groupe Etran Finatawa. Un coucou au passage à tous les Sulbadio actuellement à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu à travers nos radios partenaires. On kiffe. I got Surbajo signifie jeune fille. La musique de ce groupe est considérée comme le bleu nomade. Et Finatawa mêle la musique traditionnelle des Touaregs et des Wodoubé. Voilà, à des instruments occidentaux comme la guitare électrique. Un véritable mix. La chers auditeurs, c'était Etran Finatawa hein, qui nous a chanté cette euh, musique qui est le blues nomade. Alors, Sally, c'est l'ère de Lottie, ça parle de quoi déjà c'est nous le loti de ce lundi, on parle encore de l'importance de la carte d'identité nationale. C'est un document administratif servant à justifier l'identité d'une personne. Certains citoyens ne connaissent pas l'utilité de cette pièce d'identité. Écoutons Rafika Attar et Samira Rouafi sur l'importance de cette pièce d'identité. passé ton voyage J'espère que tu nous as apporté des cadeaux, hein Ne m'énerve pas, hein. Je suis pas d'humeur aujourd'hui. Eh, pardon. Qui t'a énervé comme ça Ou bien c'est Maman que tu as vu dehors à la fada Si seulement c'était le cas. Laisse-moi déposer d'abord mes bagages et souffler un peu. Tiens, bois de l'eau. Et raconte-moi, j'ai hâte d'entendre qui t'a énervé autant. <laughs> voilà, cousine. Si je te raconte ce qui m'est arrivé sur la route de mon village à Niamey, hmm, tu ne me croiras pas. À chaque poste de contrôle, on me fait descendre, ce qui indisposait les autres passagers et retardait notre voyage. Mais pourquoi vous faire descendre Il y a un trafiquant dans votre bus ou quoi Non, oui parce que tout simplement quelques-uns d'entre nous n'avaient pas de carte d'identité, comme si je suis obligée de la faire. Toi aussi, cousine, ces personnes qui vous ont fait descendre en raison sur vous, vous faites quand même un torse à la loi. La carte d'identité est obligatoire pour chaque citoyen à partir de 18 ans. Cela pour l'identifier et le protéger, on ne sait jamais. Mais protéger de quoi De qui Je suis dans mon pays. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver En tout cas, si c'est comme ça, je ne reviendrai plus en ville. Cela n'engage que toi de rester dans ton trou perdu là-bas. Mais sache seulement que la carte d'identité est une pièce d'état civil qui est instituée par un décret depuis le 9 octobre 1964. C'est même publié par le journal officiel numéro 19 du 1er octobre 1964. Hé, arrête de faire les connaisseurs. En tout cas, par rapport à toi, j'en connais un rayon. Bref, la carte nationale d'identité reprend donc l'identification de la personne telle que cela se présente sur l'extrait de naissance. Et avec cette insécurité vers chez toi, tu pourrais être confronté à une situation désagréable car les femmes seraient complices aussi. subhanallah, que Dieu nous en garde. Attends, et si quelque chose t'arrive, comme un accident ou autre, c'est grâce à ta carte d'identité qu'on peut t'identifier et informer ta famille. Dans ces cas, c'est vraiment nécessaire et utile pour notre mobilité. Je n'avais pas vu les choses sous cet aspect-là. Et aussi, tu as déjà 19 ans. Quand tu auras besoin de récupérer un colis, tu ne peux pas le faire à défaut de ta carte et surtout aujourd'hui avec les transferts d'argent ou transactions bancaires. Hé, n'ajoute pas plus. J'ai compris. Je crois que de mon retour, je ferai ma carte d'identité pour pouvoir voyager en toute quiétude. Et surtout, tu ne vas plus prétexter que je n'ai pas de carte pour ne pas m'envoyer des sous. en tout cas, je t'encourage. Tu comprends puisqu'il s'agit d'argent. Ah, mais oui, hein. Hé, donne-moi l'eau là, je veux boire. Voilà, c'était là le loti. Suivons maintenant la culture linguistique que nous présente Jackie Dalton, la responsable éditoriale de la Fondation Hirondelle. Et aujourd'hui, on voyage avec elle. We're going to travel with Jackie. You understand? Yes, I do. Chers auditeurs, listen to Jackie. Hello, dear listeners. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Le mot pour aujourd'hui est voyager. Voyager en anglais, c'est to travel. Travel. I travel veut dire je voyage. You travel veut dire tu voyages ou vous voyagez. I like to travel. J'aime voyager. Je répète, I travel, je voyage. You travel, tu voyages ou vous voyagez. I like to travel. J'aime voyager. Tomorrow I will travel to my village. Demain, je vais voyager à mon village. Et parlons de différents moyens de voyager. Bien sûr, on peut aller à pied, by foot. Foot, ça veut dire pied. On peut aller en bus. En anglais, bus, c'est bus. Bus. On peut aller en voiture. By car. Voiture, c'est car. Donc à pied, on foot, par bus, by bus, en voiture, by car. Et maintenant, un petit quiz pour voir si vous avez pu retenir un petit peu. Comment dire voyage en anglais? Travel. Et comment dire je voyage? I travel. Tu voyages ou vous voyagez, c'est you travel. Et j'aime voyager, c'est I like to travel. Et comment dire je voyage en bus I travel by bus. Et comment dire j'aime voyager I like to travel. I like to travel. Do you? Travel. That was today's English word. Et n'oubliez pas de nous contacter s'il y a un mot que vous souhaitiez que nous expliquions en anglais. À la prochaine, until next time. Merci beaucoup, Jackie. Chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en jarma, en tamashak ou en foufuldé n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, au 82 89 89 64. Et oui, Sali, il est temps pour nous d'écouter nos fidèles auditeurs. Aïmayo noti Sita Moussa, aïnoti Kwarakoyo. Eh, irwoy radio te bon senerga hangan dama irsi kattila be ir fas haro hinno irgama donc dinna irvane poste da kattila be eh, eh, radio te bon sebon kulirga du kolongu eh, vicir kulirga an formation kulirgi hangan za fulancina za eh, faransa za zarmucina kulirgi hangan sijere ko kanir ko zama radio kolongu laba nirgama kan irsi mare non kul eh, kolongu labari markirga bare da botiba mo imbisenga wosa wata kukan lokaci to iga lakkale ki hangan halin bori o kango mota kan miso goda noya bar mi yonka kan da ti honkuno oke ir gonda bon fere zama hay kulkan go te labari kulkan go kan labo jarjarara ka kan ka tun kul ir gogoduwa labari mu a wasa de zama adim kan kan borsi du labari kun siga ba hunai o sijira kan o ke mi labo akan sir ba ir bar mi warno noya irwe ke wokan idduwo de anir wasa zama kolongu hinno irgo wedi kan sijira kago te ago da radio fo nga alhamdulillah do kirwo wadu illa bo kallir gomo borfo zarma cini gama borfo fulan cini gama borfo billa cini langa di me kunno irgo gama kan kolongu kande da labari wo kulkan icine ne kuliga cine wono ti kan iru ir sabunda irwe ke dirga du da sigira da hadi gonda tontoni fo ka iga baya sai mo tonto amma woken ba wane wakan iduwa irwe anir wasa kalanguwo labari kulkan ni ma bai kan tabbantano ina dahiran dino di mana dahiran di isa sambar kalangu asabu sai no hunkuna irgoga farhan din ne kayan wani koy gol ko mino ra kayan kalangu dai no irgoga hangan gum sanda labarai ki ga borno ya din ne hangan ni ga bai da kai wallahi raja gogo da cimi bai ga tamme ni kyar banno ikan ga na hankan gaiki kula an borai be jandi a no matukun radio kalanguwo ifsi il hanganan irgu koygol minora no isaki ide mhm. koygolo isido kalanguri gudwaya matno aran godi isigirai wallahi isigirai sinda tali isigire kirga hangan igo gini hangan da gabi paske bon hangan du bon fere bobu borga ma isi do istido kalangu kan sima radio jarai bumbora aseni hangane yanga kanirse afo kulsin kansi kanese lakka noga didi yamarenga kigi te borese nguno ga kanirse gumo sido kalangu ilga sabi se kini ilga sabi se zari iko mal barka da igo tere ga ai gonda sabi mo kai ga to nan dido wana wana wai bore gin ko yon fondara ki yo wai bore ga ka sinai da sanka to bandai di himana ido hare wodin se deni go kanise ima ko kari se irmo irwe bore mi se de banda ir ko mi di se ir ko mi di bu jama ki kan wai boro suba hal suba hal subsi nga dhayna guwa kaanaysiyo Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et Ali Monkaila Ousseini. nous la technique c'était Abdelkader Chambiano, Raylato Souvana à l'édition. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure. Et spécialement les jours fériés comme aujourd'hui à partir de 17h, vous pouvez suivre une rediffusion de cette émission. Le journal en français interviendra à 18h, suivi du forum à 18h15. Et oui, chers auditeurs, vous retrouverez nos journaux en langue nationale demain dans le programme normal. Sur ce, on vous laisse avec cette belle sonorité musicale excellente excellente journée. À vous très bonne fête. Bye bye. Ah, bye, bye. On, on, fait un coucou aussi à la région de Tawa. Bye bye. Rako yana na kakazati, je malumbale. dannawa raga ni a fadata ga wata ta yi ma wata wata yi ma wata wata yi ma wata gori ba ta da kiran mata